projet la boo xamante moderne la c'est dans une cité fermée avec toutes les commodités à l'intérieur donc si vous voulez investir au Sénégal wala ngeen plus d'informations donc pouvez voir agent commercial bi muy euh, Ndeye votre job au 77 229 62 84 donc nous suivons le reportage Avec Ridwan, j'ai choisi le bonheur comme cadre de vie. Ridouane Bao, un programme immobilier recommandé par ses habitants. Certaines, la passion du défi, l'exigence de la qualité. Voilà, donc euh, toute la diaspora sénégalaise, Limon donne euh, reportage bi euh, Moi, Ridouane Ridwan donc si plus d'informations vous contacter nous agent commercial bi nous sommes au 77 229 62 84 donc nous allons nous dire jaajëfal nous allons nous ñëpp di wa rahmatullah